matasa barkanku da haka shirinmu a ɗafa da kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu. Ce soir dans votre émission Tous à la Fada nous allons voir l'utilisation des nouvelles technologies chez les jeunes au Niger, l'utilité et l'importance de l'intelligence artificielle. Wato yau shirin namu sai karkata ne akan fasahar zamanin nan mai suna intelligence artificielle wacce ake amfani da ita sosai a fannin sadarwa labarai da na'ura mai kwakwalwa. En effet, le rapport sur les libertés numériques en Afrique francophone publié en mai 2023 révèle une transformation significative significative du paysage numérique au Niger. En 2016, seuls 4% de la population nigérienne naviguait sur Internet, alors qu'en 2021, ce chiffre a grimpé à 22%. Et à l'heure actuelle, dominée par le numérique, parler d'Internet revient à parler d'intelligence artificielle. Ce qui confirme d'ailleurs le directeur général de l'École supérieure des télécommunications, Boubacar Issoufou Jubou, dans une interview accordée au journal en ligne Niamey Soir. Il dit, je cite, Hier on parlait du Big big data, aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle car toutes les activités de la vie peuvent être implémentées et associées à l'intelligence artificielle. Mais ça Mai sauraron mu kan iya tambayar Oui, c'est ita intelligence artificielle qui est là. Mais kenan me ake nufi da une Menene amfanin ta? A cikin waɗanne lamura na rayuwa ne ake une amfani da ita? Suwa ne suka fi aiki da ita? Wani irin aiki ne ake yi da ita? Amsoshin waɗannan tambayoyin duka a cikin shirin namu na mu haɗa fada a yau tare da bakin matasa masana fannin numerik kenan a cikin mintuna 35 da shirin namu zai dauka abdulkadir cambiano akan ishi Masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta da zango a tsakar filin studio Kalangu muna tare da matasa wanda suka amshi kiran namu wanda za mu tattauna tare da su akan shigon namu na yau. Muna tare da Isaka mun kai la ile architect yani. Alhamdulillah. Da dama muna lafiya. Lafiya lo alhamdulillah. Muna tare da Usman Mamudu Ilelo responsable de l'équipe numérique du studio Kalangu. Usman da zuwa. Bonjour. Ça va Ça va. Kuma Manatarda, Farid Cheiboulou, il est informaticien. Farid, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue dans notre FADA. Merci. Sans tarder, on va aller à la première question. Misa yekirada intelligence artificielle. ake intelligence artificielle? Intelligence artificielle euh, ita ce technologie, wadda so sa machine c'est zanki réfléchir comment mutane na gaskiya. Donc euh, pour être plus précis, je vais parler en français du coup. L'intelligence artificielle c'est une technologie qui essaie d'imiter l'intelligence humaine. comment yanzu a ce kuna nanga magana da wani par exemple bisan WhatsApp in ka mai hira yana ma normal c'est ka azama mutum a machine ce. Donc ça c'est entre autres une des utilisations de l'intelligence artificielle mais globalement c'est vraiment une technologie qui essaie d'imiter l'intelligence humaine. Ousmane, kashi abinda Isa ka faɗa dangance da intelligence artificielle. Alors oui, donc euh, il a ça a très très bien résumé de façon basique l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça. Mais si on part un peu plus loin, euh, ou si je fais un peu quelques ajouts, aujourd'hui, on va dire qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Donc toutes les intelligences artificielles autour desquelles on va débattre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles dites faibles. Donc il y a des intelligences artificielles faibles et fortes. Mhm. Il y en a trois, donc nous on va s'arrêter aux deux catégories. Et tous les outils, euh, donc il y a plusieurs niveaux en fait d'intelligence artificielle. Il y a les intelligences artificielles faibles et fortes. Donc l'intelligence artificielle faible, c'est quoi C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui et tout ce qui est capable de faire de la reconnaissance vocale. Il n'y a pas que la génération de texte, hein. il n'y a pas que les IA génératives comme on les appelle. Donc c'est aussi la géolocalisation, c'est aussi la reconnaissance faciale, c'est aussi la reconnaissance des voix. Donc tout ça en fait, ça, ça veut dire que c'est des intelligences intelligence artificielle faible. Elles sont faibles pourquoi Parce qu'elles ne peuvent pas prendre des décisions autonomes comme le ferait un être humain. Elles ne pourront pas résoudre un problème qu'elles ne connaissent pas déjà. Moi, euh, quand je sors dans la rue, je vois une dame, je sais à peu près comment me comporter. Ces IA-là, si elles n'ont pas été confrontées à ce type de euh, problème dans leur processus d'entraînement, donc euh, le machine learning comme on l'appelle, eh ben, ils seront incapables, elles vont buter, elles vont tout le temps revenir en arrière. Donc c'est un peu la nuance qu'il faut saisir. Donc on n'est pas encore au niveau où on va avoir une IA qui va, euh, je sais pas, qui va prendre des décisions politiques ou même si on va voir que dans certains pays c'est déjà un peu le cas, ou qui va résoudre des problèmes complexes, par exemple comment contrer une pandémie, par exemple. Ça, les IA aujourd'hui pourront pas le faire. Farid vous êtes informaticien. Donc, brièvement, vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent de manière générale les IA euh, En m'appuyant sur ce que Isaac a, très bien expliqué, en fait, ce que c'est l'IA. Euh, c'est la capacité, en fait, d'une machine euh, à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à faire de la perception comme la reconnaissance faciale, euh, et aussi dans les assistants vocaux comme Siri. Il y a aussi Alexa dans la détection des, des fraudes bancaires. en de ke a un computer comme kuma oui. ita siri inda iphone oui ita iphone mm. oui effectivement maintenant les, les, technologies bancaires utilisent aussi l'équivalent des, des, des siri qui s'appelle alexa qui permet de faire de la détection des, fraudes bancaires. Ça, c'est dans le domaine euh, de la finance. Dans, dans le domaine militaire, il y a tout ce qui est drone. Il a parlé de reconnaissance faciale et tout. On a des drones qui, qui circulent tout le temps, qui permettent de détecter des personnes. Mais ces drones-là ne peuvent pas prendre des décisions elles-mêmes si elles n'ont pas été déjà confrontées à des, à des problèmes. Donc, elles reçoivent des entrées elles, reçoivent des entrées, comme par exemple, on peut leur donner des photos des personnes qu'elles vont traquer. Et en fonction de ça, on leur donne aussi des instructions, ce qu'elles doivent faire. Euh, maintenant, derrière ça, elle, ne peut pas aussi fonctionner toute seule, sans l'assistance, bien sûr, de, l'humain. Donc, euh, ce que je peux dire euh, en un mot de l'IA, c'est vraiment une nouvelle technologie qui est là, pas pour remplacer, les gens ils ont peur. Hein. n'est mhm. C'est pas pour remplacer carrément les humains. Voilà, ok. c'est pas pour remplacer carrément les humains, mais c'est pour les aider en fait à être beaucoup plus efficaces en fait dans, dans leur quotidien. Mhm. Merci. Euh, et nous avons sur notre FADA Issoufou Abdou Ousmane, il est lead développeur, développeur en chef. Anovate qui vient de nous rejoindre sur notre FADA. Barka de Ouais, Barka. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'application de l'IA dans nos vies quotidiennes. Donc euh, l'IA peut être appliquée de manière concrète euh, dans, dans, plusieurs domaines de notre vie quotidienne. Donc euh, nous aussi on l'adapte à notre contexte nigérien où 80% de notre population est rurale, donc qui vit essentiellement de l'agriculture. On peut effectivement adapter l'intelligence artificielle à l'agriculture. Par exemple, pour quoi faire Par exemple, pour aider les agriculteurs à détecter, par exemple, les maladies des plantes, à avoir des meilleures prévisions météorologiques, à anticiper par exemple euh, l'arrivée des criquets pèlerins. Voilà, tout ça peut contribuer à ce que nous euh, accédons à notre euh, autosuffisance alimentaire, parce que mm. l'agriculture, disons-le, c'est ce qui est vraiment le prérequis pour accéder à, justement à cette autosuffisance alimentaire. Ça, c'est pour ce qui est du domaine de l'agriculture. Donc ensuite, au, niveau du domaine de la santé, euh, comme monsieur l'a tout, tout, à l'heure dit. Donc, euh, l'IA peut permettre à aider euh, à, contrecarrer les pandémies, les maladies, à améliorer par exemple la détection de, de certains virus, tout comme aussi à analyser par exemple la situation du pays euh, en fonction des maladies par région pour prévoir, par exemple, d'autres euh, épidémies euh, possibles dans le futur. Il y a beaucoup de domaines qu'on peut citer, mais voilà un peu les domaines essentiels. Issa, quand vous, vous êtes architecte, comment est-ce que vous utilisez l'IA dans votre domaine Dans mon domaine, l'intelligence artificielle est encore à un stade, on va dire, basique donc euh, personnellement, j'ai testé pas mal de solutions logicielles qui permettent notamment de générer des plans, genre vous donner les contraintes, je veux trois chambres, salon et tout. Donc euh, l'IA me propose des, solutions. Pour le moment, c'est vraiment pas bon. <laughs> en tout cas, surtout, ce sont des IA qui ont été entraînées avec les standards européens. Donc tu peux pas encore l'utiliser dans le contexte africain parce que nos réalités sont tout à fait différentes. Mhm. Donc pour le moment, en architecture, l'IA n'est pas encore assez poussée pour qu'on l'utilise ici. Mais il y a vraiment dans d'autres domaines où l'IA m'a beaucoup facilité la tâche. Par mhm. exemple, dans mes autres activités, je fais euh, de la rédaction web. En dehors des tâches, je fais pas mal d'autres activités. Donc, par exemple, dans la rédaction web aujourd'hui, euh, avec euh, des modèles d'IA comme ChatGPT, il est possible de générer vraiment des, des, textes. Vous lui donnez la thématique, hop, il mhm. vous rédige. C'est possible de faire de, de la relecture. Vous pouvez soumettre un texte à ChatGPT et puis il vous corrige toutes les fautes. Il vous dit, ah, ici il y a une erreur de syntaxe, ceci, ça aurait pu être formulé meilleur de cette façon. Donc ça, ça m'aide beaucoup hein, de, de façon pratique. Et aujourd'hui, il y a même des choses qu'on oublie, mais que c'est de l'IA, mais en fait, c'est de l'IA. Par exemple, euh, quand je vais sur Google, quand je tape une recherche, mm. c'est une IA qui me dit, euh, qui classe les résultats pour me dire, ah, en première position, voilà ce que je recherche. C'est l'algorithme de recherche. Donc, l'IA, en fait, c'est maintenant qu'on en parle, mais en vérité, il y a longtemps que c'est ancré dans nos vies quotidiennes, mais on ne s'en rend pas compte. Il y a une que j'utilise personnellement, par exemple, pour réguler mon sommeil, c'est dans mon téléphone, Ça voit à quelle heure je me réveille au fur et à mesure, et donc ça s'adapte en fonction de ça. Donc, au lieu de me réveiller brutalement, quand ça sait que, par exemple, je me réveille à 5 heures, à partir de 4h40, ça commence à envoyer des petites alarmes très basses. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que 5 h arrive, le volume augmente, ce qui fait que je me réveille pas brutalement. Mhm. Donc euh, l'IA arrive, c'est une IA qui est utilisée dans cette application et ça s'adapte en moi. Donc euh, l'IA c'est quelque chose qui est vraiment évolutif, c'est quelque chose qui apprend. Donc euh, on l'alimente de données et puis euh, voilà, elle, elle apprend en fonction de ça. Et Yawa matasa masu sauraron shirin mu haɗu a fada sanin ku ne a cikin wannan shirin mukan baiwa 'yan matan studio Kalangu fili inda suke kawo ƙarin haske akan ababe da dama musamman akan lamuran da suka shafi mata da 'yan mata. A cikin filin nan nasu keenan mailaqanii dalaa rubrik roos. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis de la rubrique rose, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cet espace dédié à la beauté. Dans ce numéro, nous allons prendre soin de nos mains. Les mains et les ongles sont régulièrement exposés au chaud, au froid, mais également à tous les éléments extérieurs de manière générale. Ils interviennent également dans la réalisation de nombreuses tâches au quotidien, et plusieurs produits peuvent les fragiliser, comme les détergents ou ce qu'on appelle homo chez nous. Pour garder les mains douces et les ongles en bonne santé, il est indispensable d'en prendre soin au quotidien. Avec quelques ingrédients maison, vous pouvez facilement confectionner vous-même votre soin pour les mains. Pensez aussi à associer votre soin des mains avec une exfoliation. Notez bien ces deux recettes qui vont suivre, c'est juste magique. Première recette, faites une pâte de bicarbonate de soude mélangée à un peu d'eau et le jus d'un citron pour l'éclat des mains. Frottez pendant 5 minutes avec le mélange. Il est bon pour les mains et les ongles. Deuxième recette, mélangez une grosse noisette de beurre de qualité avec du sucre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Avec cette pâte, massez longuement vos mains avec cette pâte. Mains douce assurée, je vous promets. C'est tout pour demain. Demain, nous prendrons soin de nos pieds. Bonsoir amis jeunes et bienvenue dans l'espace cuisine. Il y a des jours où en cuisine, ça ne va pas du tout des maladresses, des inattentions qui font qu'on rate nos recettes ou nos cuissons et fritures. Aujourd'hui avec moi, vous aurez quelques astuces qui viendront vous secourir en cuisine. Astuce numéro 1, pour éviter que les œufs se cassent dans l'eau bouillante, faites un trou avec une aiguille au sommet de l'œuf. Astuce numéro 2. Marre de verser un torrent de larmes lorsque vous épluchez un oignon, placez-le au congélateur pendant 10 minutes avant de l'éplucher et de le découper. Vous pouvez aussi le mettre dans un saladier rempli d'eau froide et le garder 30 minutes au frais. L'oignon n'aime pas le froid, donc il ne libérera pas son gaz. Astuce numéro 3. Si votre riz est trop cuit, Passez-le sous l'eau froide pour retirer l'excès d'amidon. Égouttez-le puis réchauffez-le à la poêle à feu doux. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres astuces en cuisine et ravi pour des astuces beauté. Au revoir. comme la vitrine. Cette vie a été si triste. Cette vie à la Will Smith. Faisons des miles sur la Goldwing tu dreams dans la tête, Charlie. Et un rêve, tout est passé, Charlie. J'te vois, soit t'es trop shiny. J'te vois, soit t'es trop shiny. J'peux chez toi en un quart d'heure. J'connais ton code d'entrée par cœur. Laisse ton gars à la porte ouverte, j't'ai dans ma toile, t'es ma MJ par cœur. On aime les belles montres, ici rien ne vaut le J'en ai l'air, mais je suis pas méchant. je ne sors que de son Je lui mets sur le son Billie Jean. Je ne bois que de la Sambelele. Après ma que la Santelele. Je ne sors que de son Je lui mets sur le son Billie Je ne bois que de la Sambelele. Après ma que la est Hey. Viens le faisceau, je suis proche de toi. Toi et moi, tu sais quand c'est. Je nous vois comme Jay-Z, Beyoncé. J'aime quand tu vas tout doux. Mais viens pas m'appeler doux Reviens pas quand y'a les sous-sous. J'aime quand tu vas tout doux. Mais viens pas m'appeler doux Reviens pas quand y'a les sous-sous. Je ne sors que de son Benedji. Je les mettre sur le son Billie je ne bois que de la sambelele Après m'être que la santelele Je ne sors que de son Benedji Je lui mets sur le jeans. Je ne bois que de la sambelele Après m'être que la Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada indéo film studio Kalangu qui était L'utilisation des nouvelles technologies chez les jeunes, l'utilité et l'importance de l'intelligence artificielle. Voilà, Ousmane, en mm. dehors de ce que Isaka et euh, Issoufou nous ont donné, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres euh, IA qui sont utiles ici au Niger? Évidemment, tout ce qu'ils ont dit est intéressant, mais euh, au Niger, moi, de ce que je vois, c'est beaucoup plus les IA génératives, hein, comme on les connaît, ChatGPT qui est venu il n'y a, pas longtemps, Journée aussi. Pourquoi Parce qu'elles viennent vraiment résoudre un problème. Journée par exemple, c'est l'intelligence artificielle qui va générer des images, mhm. des photos, etc., etc. Et il y a eu tout un pan, on parlait des, emplois, il y a plein d'études qui ont été faites pour dire que bon, ça va vraiment supprimer des emplois, il ne faut pas se voir la, la, la face. Goldman Sachs a fait des études, une université américaine aussi, je pense, on parle quand même d'un nombre colossal salle d'emploi. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'apport que ça donne. Donc ça supprime des emplois, mais ça vous fait gagner du temps aussi. donc ça libère quelque part votre cerveau et ça vous euh, permet de faire autre chose que réfléchir, par exemple, à rédiger un texte. Pour les journalistes, par exemple, très souvent, les infos c'est déjà des brèves AFP. Quoi. Mhm. C'est, que des, des pêches AFP que les gens reprennent. Donc, ChatGPT va t'aider à reformuler ça. Mais évidemment, tout ce qu'il dit, il faut beaucoup, beaucoup vérifier ça. Parce que dans le jargon, on dit qu'ils hallucinent. C'est des IA qui peuvent te raconter n'importe quoi. Donc, il faut lire après. Et vraiment, si vous voulez les tester à fond, testez-les sur un domaine que vous maîtrisez. Alors, ça solutionne pas mal de problèmes. Le problème des moyens. Aujourd'hui, au niveau des médias, moi, je suis journaliste, j'ai pas un studio pour prendre des photos ou bien je suis publicitaire et je peux pas m'équiper. J'ai pas les moyens d'acheter euh, les appareils photos qui coûtent hyper cher, la lumière, la décoration, etc. Mais tout ça, je peux demander à midi-journée de me faire ça. Et et ça ça, ça, ça coûte pas beaucoup d'argent. Et de ce qu'on voit aussi, c'est des modèles qui deviennent de plus en plus performants. Moi, je me rappelle les toutes premières images que Midi Journée <laughs> a générées, c'était la catastrophe, hein, c'était la merde. Mais aujourd'hui, quand même, on est à un niveau de réalisme euh, incroyable. Donc, on a des photos euh, incroyablement réalistes que l'IA génère. Et il y a aussi un nouveau domaine euh, qui, est en train d'émerger, ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est ça, non Donc, tout ce qu'il faut connaître pour mieux parler aux IA, pour mieux interagir avec une IA, pour lui dire, voici, pour parler grosso modo à l'IA, pour qu'elle ressorte le résultat que vous attendez. Par exemple, si je veux une photo euh, sur midi-journée d'un gosse, je ne veux pas partir taper photo enfant euh, noir. Ça va marcher, mais ça aura beaucoup plus de crédit et de détails et de réalisme quand je vais contextualiser. Donc je vais lui dire, je veux un enfant qui ressemble à ça et je veux que euh, la focale de l'appareil utilisé photo soit comme ça, je veux tel type de lumière, etc. Donc, il faut savoir en fait comment renseigner. Il faut en fait savoir parler à ces intelligences-là. On l'a vu aussi avec ChatGPT. Il faut savoir lui parler pour qu'il vous ressorte ce dont vous avez besoin. Mhm je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Les collègues ont parlé de problèmes d'utilisation dans le domaine de la santé, dans, dans plein de domaines aujourd'hui, on, a des applicatifs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est des IA qui sont gratuites. Mhm. ChatGPT, il est gratuit. Midi-journée, un moment, il y avait euh, une version d'essai, je pense qu'ils ont suspendu. Mais ça coûte pas aussi hyper cher. Ma wani foton wani yaro ya yi ta yawo yana rike da tutar Nijar. Wato mid journey ce ta yi sha mutane suka yi ta tambayar kowane yaro ne na san da yawa daga cikin kuma sun gane shi. <laughs> Et donc, et donc, et donc, ce que ça, ça et, et juste la photo là qui a beaucoup, ce que ça résout aussi pour les journalistes, c'est qu'il n'y a pas de problème de crédit derrière. Nous la contrainte principale pour un journaliste aujourd'hui, c'est de créditer les photos. Or, il y a certaines scènes qu'on n'a pas du Niger, qu'on doit réaliser, etc., etc., surtout les enfants qui sont hyper protégés, on ne peut pas diffuser leurs images comme ça, mais des photos d'enfants totalement générées par l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Évidemment, ça pose pas mal de problèmes éthiques, peut-être qu'on va revenir dessus. Toutes les IA d'ailleurs, pas que midi-journée, euh, ça, pose des, ça, pourrait, ça pose même des problèmes éthiques euh, dans de nombreuses sociétés. Ok, Ousmane Bankas et Et c'est parti pour la pause musicale, les amis. Aux âmes, chaque état de fait fan S. James da Mamaki. da lokacinsa, amma da sun yi zaton ba za mu iya ba, wai motar mu ba ta zo da giya ba, in na fara ni ban san gajiya ba. ban taɓa raina iya ba Allah ne ya bani iyawa kallon biri suke mun ina musu na ya ba gi so dole a kira mijin iya ba ko ka ce ban iya ba na san kai dan adam ba a iya ma weda good weda ba difficult bodies like bai halin ka ya jama. cikin gari ana lamari gidan biki nan ake gudu wurin mata hutu da shagali ku gaya mun me ya kama da ni Duk cuta tana da magani, ko talauci duwa magani, ruwa a kwando su ba mu gani, bindu kaza na ja magani. Tunda ina ba su mamaki, dole su ne su ni maki, eh, dole kamar naki, don lambar yabo na ci, waka na daje har daji, daɗi na ji ina fari, mai dika ya shiga mun lamari, yanzu an sani a gari gari, so suke su ga mun tsaya a can. Gashi muna ta gaba. sun Allah ya nufa makiya ban san mene muku ba ku kai ni kasa ba ku asuwa ai ni ba na guduwa kuma in na yi sallah ina addu'a karya ku ku hana in ci gaba kallon buri suke mun ina musu na yaba ko an gi ko an so dole a kira mijin ba baba ko ka ce ban iya ba na san kai dan adam ba iya weda good weda ba difficult bodies like halin ka ya jama cikin gari ana lamari gidan biki nan ake gudu wurin mata hutu da shagali ku gaya mun me ya kama da ni duk cuta tana da magani ko talauci addu'a magani ruwa a kwando su ba mu gani duka kaza na ja maka tunda ina ba su mamaki dole su ne su ba ni maki eh, dole kanwar naki don lambar yabo na ci waka na daje har daji daɗi nake ji ina fari mai duka ya shiga mun lamari yanzu ma sani ya gari gari mai dika ya shiga mun lamari ya shiga mun lamari Voilà, chers auditeurs, c'était la pause musicale de la fada. L'utilisation des nouvelles technologies chez les jeunes, l'utilité et l'importance de l'intelligence artificielle. Alors, à la question suivante, c'est quelles euh, quelle opportunité professionnelle ou entrepreneuriale l'intelligence artificielle offre aux jeunes, au Niger en particulier euh, l'opportunité que ça, représente. Euh, bon, c'est comme, euh, c'est comme il l'a dit, hein. si tu, il faut l'utiliser en fait dans ton domaine. Mhm. C'est là que tu vas, tu vas beaucoup plus euh, exploiter en fait de façon efficace l'IA elle-même. Moi particulièrement, je suis développeur, je développe des applications et tout. Le côté de l'IA que je, J'utilise surtout dans la proposition des, produits et tout, la suggestion et tout. Si vous venez sur une plateforme de e-commerce, vous achetez une fois un produit et tout. Maintenant, en fonction dans la zone, le produit le plus acheté, même si vous ne l'avez jamais acheté, je vais vous le proposer. Ça, c'est une tendance. Euh, Facebook, on l'a tous hérité de Facebook, hein. il le fait, la suggestion des, amis et tout en fonction de votre localisation et tout. Ça aussi, c'est des liens. C'est pas, c'est pas du hasard si vous changez si vous vous déplacez d'un endroit à un autre, on vous, on vous suggère euh, des vidéos de cet endroit, des amis et tout. Maintenant, euh, réellement, l'opportunité que ça puisse présenter pour les autres qui ne sont pas des informaticiens, chacun peut l'utiliser dans son domaine. Chacun il est libre. Mais il faut, je pense que il faut d'abord euh, cadrer ça en fait, le sens de l'éthique. Il faut vraiment régulariser en fait l'utilisation de l'IA. Parce que il y a l'avantage, il y a, le côté où c'est très dangereux mhm. aussi. Voilà. Comme ce qui m'amène même à ma question suivante. Est-ce qu'il existe des initiatives locales qui visent à promouvoir par exemple l'utilisation responsable de l'IA Au Niger, au Niger, je ne pense pas, mais en Europe récemment, ils ont voté une loi en fait qui cadre en fait euh, l'utilisation de l'IA. Là-bas, mhm. c'est bien cadré. Il y a des textes qui, qui prévoient euh, l'utilisation de l'IA. Au Niger, on n'en est pas encore arrivé là. Là, actuellement, on est en vague. Tout le monde l'utilise comme il veut, mhm. sans, aucun souci. Mais je, pense que l'État doit réfléchir tout en consultant en fait des experts mhm. qui, se connaissent en fait en IA pour pouvoir élaborer des, vraiment des lois afin de, de cadrer en fait l'utilisation de l'IA. Parce que ça a un côté très dangereux aussi. D'accord. Issouf Abdou, alors quels sont les défis ou les préoccupations liées à l'utilisation de l'IA Bon, euh, je rejoins euh, ce que les autres ont dit euh, par rapport à cela. Donc, en fait, l'utilisation de l'IA elle-même, je dirais que ce n'est pas un défi parce que les IA, ils sont très faciles à utiliser. ChatGPT, aujourd'hui, tu, tu tapes du texte, il te répond. Donc, l'accès même n'est pas si compliqué que ça. Donc leur utilisation ne pose pas un, défi. Maintenant, là où je vois défi, c'est surtout au niveau de, l'entraînement des modèles. Mhm. Là, je parle des données. Par exemple, si on dit qu'aujourd'hui au Niger, on va entraîner une IA qui va faire des prédictions météo, par exemple, si, par exemple, euh, les données euh, avec lesquelles voilà, sont biaisées, donc les résultats de l'IA aussi seront biaisés. Mhm. Donc c'est là euh, le vrai danger de l'intelligence artificielle, parce que si les données ne sont pas bonnes, donc les résultats aussi seront mauvaises. Donc c'est pour ça que il faudrait euh, bien analyser les données euh, grâce notamment à la data science, et à l'analyse des données avant de la soumettre à l'intelligence artificielle. Euh, Ousmane, quelles sont les préoccupations liées par exemple à l'emploi Oui, bon, alors les entreprises, elles n'ont pas hésité hein, parce que le but d'une boîte, c'est de faire le maxi d'économie avec le moins de gens. Mhm. Donc déjà, je disais en début d'émission, il y a eu pas mal déjà d'études qui ont été faites et qui démontrent par exemple que 80% des emplois pourraient être supprimés dans quelques années ou en tout cas remplacés en partie ou totalement par les intelligences artificielles. Mhm. Donc ça pose évidemment un problème social comment on fait pour payer ces gens, ça pose vraiment un problème économique parce que nos sociétés n'ont pas l'habitude euh, de piloter une économie euh, euh, d'emploi de cette manière-là. On, ne remplace pas 10 personnes, 200 personnes, on ne ferme pas une boîte, mais les autres personnes, ils vont faire quoi mhm. Sachant aussi que c'est des personnes peut-être qui ne maîtrisent pas encore l'intelligence artificielle. C'est des métiers administratifs. L'administration dans certains pays, c'est prévu que l'essentiel des tâches administratives seront remplacées n'est pas des IA. Le fait de décrocher un appel, de répondre à un appel, je sais pas, commercial, je ne sais pas mhm, comment... Service qui par si j'ai un problème, j'appelle. Mais certaines boîtes ont implémenté des IA qui répondent à la place de ces opérateurs. Donc tout ce beau monde-là, il va faire quoi il y a certains pays qui réfléchissent à mettre une taxe sur l'IA. Ça veut dire que tout l'argent que l'intelligence artificielle va générer, on va le redistribuer au niveau de la population. Mhm. Ou en tout cas des gens qui ont perdu l'emploi. Mais comment on va le faire Beaucoup n'ont pas encore formalisé. Et ça pose aussi un problème environnemental. Parce qu'il parlait tout à l'heure d'entraînement des modèles. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que ces IA-là, c'est un modèle qui est entraîné sur une quantité de données. Et c'est ça qui fait qu'il devient, entre griffes, je dirais pas intelligent, mais qu'il qui, qui, processe de la manière dont il fonctionne. Alors, si je prends l'exemple de ChatGPT, par exemple, euh, le corpus de ChatGPT, la quantité de données qui a été utilisée par, euh, pour entraîner ce modèle-là, Wikipédia ne représente que 0,3% de toutes les données que ChatGPT a avalées. Donc ça pose un problème environnemental. Pourquoi Parce que c'est des ordinateurs qui font tout ce travail, tout ce calcul et ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. ChatGPT, je me rappelle, ça bouffait plusieurs millions de dollars euh, à OpenAI, donc la boîte qu'il a mise en place tous les mois. Donc à un niveau tel qu'ils ont été obligés de le rendre payant, en tout cas en partie, parce qu'il y a une version gratuite, pour un peu juguler ses coûts de fonctionnement. Et ça pose aussi un problème social, parce qu'on a vu que ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, des IA, là, on en trouve partout, partout. Et en Belgique, je pense avoir vu que quelqu'un se serait suicidé euh, parce que son intelligence artificielle le lui a demandé. Un mhm. Belge, donc il y a une enquête qui est en cours, qui n'est pas encore terminée. Donc j'ai oublié le nom de l'intelligence artificielle là qui mime un peu être ta copine. Euh, elle est dispo sur le Play Store, donc euh, la boîte. Donc il y a beaucoup de ces problèmes là parce que beaucoup de gens aussi en Europe par exemple restent chez eux, ils ne sortent pas. Certains, euh, donc ils ont besoin de communiquer, de parler à des gens. Ils ne l'ont pas et donc des boîtes ont saisi l'occasion pour leur créer des assistants virtuels qui vont apprendre sur la personnalité de la personne elle-même. Donc il y a beaucoup de, problématiques qu'il faut résoudre, mais il y a beaucoup d'avantages aussi qu'il ne faut pas oublier. Et tous les collègues ici l'ont rappelé, ça fait beaucoup de choses souvent mieux que l'humain. Parce que vraiment, quand, il s'agit de rédiger des articles, euh, la rédaction, c'est quelque chose de chronophage qui te fatigue beaucoup. Et d'autant plus que euh, souvent les journalistes, ils n'apportent rien de neuf, c'est juste des reformulations des dépêches AFP. Mhm. Donc ça, on peut très bien l'automatiser le, l'automatiser sans aucun problème. Mais évidemment, tous ces journalistes qui vont perdre leur boulot potentiellement, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard Et je pense que c'est en Allemagne ou dans un pays européen où une boîte de journalistes a licencié des milliers de journalistes qu'ils ont remplacés par ChatGPT. Donc, hmm. c'est des outils qui s'améliorent encore une fois très vite. Rien que la semaine dernière, il y a eu le digital, quelque chose, acte qu'ils ont adopté en Europe. Donc, il va un peu réguler beaucoup de domaines, au-delà même de l'intelligence artificielle. Donc, hmm. vrai problème de régulation, mais encore une fois, il faut aller très très vite, parce que c'est des outils qui avancent tellement vite que ça dépasse même le législateur, il ne sait plus quoi faire. Ça avance tellement vite et pour nos pays, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de spécialistes, ou même si on les a, souvent, ils partent, ils travaillent à l'étranger, ou ils sont appelés à d'autres fonctions. Donc, il faut qu'il y ait un vrai travail à ce niveau pour mieux réguler le, domaine. Bien, merci beaucoup Ousmane. Avant de clôturer, nous allons d'abord accueillir Ceno 50% et sa chronique du jour. Amis du Fada, bonsoir tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse, mais aussi pour de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques sophistiqués pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du FADA. On se retrouve demain, même heure, même canard pour la suite. Merci Seynou Haka matasa na muka namu na fada na Aujourd'hui nous étions en compagnie de Ousmane Mahmoudou, il est le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangu. Issa Kamunkaila, il est architecte, Farid Cheibou, informaticien et Issoufa Abdou Ousmane. Il est développeur en chef à Novatech. Et comme ils l'ont dit, l'intelligence artificielle, elle est abonnée à yake da muhimmanci sosai a rayuwarmu, wanda yake da amfani sosai kuma duk da yana da da waɗansu 'yan kalubale da ya kamata a duba. Ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen Studio Kalangu.